amis de tous à la fada, bienvenue dans votre émission préférée des jeunes. À ce stade, vous devez connaître mon nom. Je parle tellement dans cette émission qu'on ne peut pas louper mon nom. <laughs> cikin fadar mu ta siyasa matasa me suke nihi da siyasa kai in suna harka siyasa wannan Dans un an, au Niger, ça sera déjà le premier tour des élections présidentielles, couplé aux législatives. Non, de shekara daya. de za ku ga cikin garuruka an za su launi-launi kala-kala wanja da masara da su de toute la partie iri-iri. Kuma a cikin su har da partin wasu matasa qui se lance également dans la course pour la présidentielle de 2021, mais aussi pour chercher des sièges à l'Assemblée et dans les municipalité. Vous comprenez maintenant pourquoi nous avons posé cette fada à la Blue Zone de Niamey, justement pour en savoir plus sur l'implication des jeunes dans les affaires politiques. Ça va Ça va C'est bon ça Vous êtes détendu là Oui, ça va très bien. Toi là, est-ce que tu es détendu ah. <laughs> Bien sûr c'est bon, là, on est à la FADA. Hein. de Chebou, jeune membre de structure politique Kadiatou Idani, jeune étudiante et leader. Nasur Bodo, jeune activiste Habou Omar Arma. Il bosse dans l'éducation, lui. Nous sommes également avec Mokhtar Idrissa, agent commercial. Bienvenue à la FADA. Merci. Dans cette fada, nous aurons de la musique, un vox pop, le point de vue d'un politologue et la chronique d'Olivier. da an anti siyasa kawai latija ne ke yinta ko matasan ma akwai masu yinta ba diya ba amma yanzu hada matasa wanda suke da partikin su na kansu saboda shine muke so mu san si se intérêt pour la politique a touché la majorité des jeunes nigériens koko dai wasu wasu ne nous en saurons plus dans ce micro trottoir les jeunes d'Agadez au micro de Anissé Abdul Karim et ceux de Niamey que j'ai rencontré Mouchourara Ains la politique euh, si ça m'intéresse il est les, règles sont bien suivies. Tu as une fois voté, juste qu'une seule fois. Oui, pour moi, je pense que la politique, euh, c'est une bonne chose. Ça nous donne l'opportunité d'aller voter euh, librement et de choisir celui qu'on veut. J'ai jamais voté, mais Inch'Allah, cette année, je compte le faire. En tant que jeune, euh, moi, je pense que la politique, c'est une bonne chose si on arrive à respecter les règles. To ni dai ba ɗan siyasa ne ba ni ra'ayin siyasa gaskiya. Eh ni abin da nake jira da siyasa tun da dai yanzu lokaci ne na demokarasi a gyara mu kasa da kyau. Siyasa abu ne da yake ba da mutum dama abubuwan da aggare shi eh, abubuwan da aggare shi ayyukan da yake da ya ce so ya yi yana ba shi daman yin shi in ya samu hanyar nan ta siyasa paske siyasa in baka siyasa baka iya samun wuri zama baka iya samun incin in aikin da kake yi da in baka siyasa baka iya samun makami na shugabanci to sai in ce siyasar niger har yanzu tana da saura don me sauranta 'yan siyasa in ki ɗauka misali dukansu jam'i sai ke ga kullum ana zuwa ana dawowa Il faut kamata a ce karni na des, activités politiques. Sinon, ils seront déjà exclus. Sinon, au rendez-vous euh, des grandes décisions, ils ne seront pas là. Il faut qu'ils influencent les décisions. Il faut que ceux qui aspirent à diriger le pays ou qui sont en train de diriger sentent qu'il y a une forte pression de la jeunesse et dont il faut tenir compte. Kadiatou, je commence par toi, ma belle. Tu as écouté sur Vox Pop la politique, les jeunes. Qu'est-ce que ça te dit Ah, la jeunesse nigérienne et la politique. Moi, je pense qu'il est important que les jeunes s'engagent en politique, que les jeunes puissent assumer leurs responsabilités, n'est pas seulement être euh, spectateur, ne pas servir de complément d'effectifs lors des meetings et autres. Ah ouais. Euh, des crieurs publics pour mobiliser et venir chanter, danser. Mais quand c'est la prise de décision, les jeunes sont toujours absents. Donc il est important que les jeunes qui se sont engagés dans la politique se responsabilisent et est vraiment une vision à long terme. Mm. Il est très important. Salau, Salau Shaibu, indawo gare ka. Siyasa da muke cewa matasa da siyasa ko siyasa ta matasa a kasar mu ya zama to hal yau bangare biyu adda kwai. Da wa'anda suka yi karatun boko da wa'anda ba su samu sa'an yin shi ba. To ya zama to yau wa'anda kuma ba su samu suka yi karatun boko ba sun yi yawa. Hmm. Wa'anda kuma ba su samu suke karatu kurare ba kuma sun yi yawa. Mm. wanda suka yi karatun bokan su kaɗaniya ne to kaɗaniya na su kaɗai ne tana yawa guda guda ne suka san abin da ya zamanto su kumshe-kumshe wani tsari tsarin mulki wani mm. tsarin siyasa kaɗan kaɗan suka san mine ne tunda diwancin su bisa su kula ba yau in ba shekarun na baya ba shekara goma zuwa sha biyar na bayan gaba da matasa suka fara takawa suna neman sanin yayin da siyasa take tahiya suna zuwa da ra'ayinsu su ce yau mu mun zamanto wanga bangare na zaben ga jam'iyya muke ko ga jam'iyya muke mm. a shekarun baya a'a in kaga matashi yana siyasa ba wani abu bane wani abun ga ma'aihin shi ne to ko shi yake cikin wanga <laughs> jam'iyya ko wancan mm. jam'iyya dole kenan ya biyo tunda tukunyan gida daga nan take tashi dole mutum ya <laughs> bi kwa ba dan ra'ayin shi ba kuma ba dan ya yarda da tahiyawa da take tahiya ba kuma ba mm. dan ya san abin da ta kumsha ba to wai kun san ga muku wani abu suka wannan salaukin da ke magana an kun ji ta zuku wani minista ne to wallahi matashi ne kawai amma murya minista gare shi to bari in dawo gare ka nasiru bodo Qu'est-ce que tu penses de ces jeunes-là, tantôt qui s'intéressent à la politique, qui ne s'intéressent pas C'est grâce euh, à la, politique qu'on organise la société, qu'on pose des limites à certaines dérives, qu'on a un projet de société avec des objectifs clairs. Maintenant, le problème se pose au niveau de la vision. Est-ce que ceux qui embrassent même la politique, ces jeunes-là, est-ce qu'ils ont une vision Du point de vue politique, est-ce qu'ils ont des valeurs à défendre Parce que... Mm. Voilà, donc, si Parce que, à te Adiba, mine ne yasa shi bai ra'ayin siyasa. Yalla, 'yan siyasan da suka rige shi sun yi wasu abubuwa da ya sa shi kawai ya nisanci siyasa kawai voilà c'est vrai que les jeunes s'engagent en politique mais la question à se poser est-ce que ces jeunes ont une vision parce que finalement avec le chômage mhm. qui nous tenaille là la politique au Niger est devenue une source de revenus et tout le monde le sait malheureusement c'est ça c'est à hankali to a ah, wannan fara na ga kuna tare da Muktar Idrisa shi kuma wani matashi ne il est agent commercial eh ni abinda na gani bisa kan abubuwa ga duka da ake hudi mhm. siyasa yana da kyau ake matasa sun shiga siyasa hmm. me ni a dawo gani bai kamata ba a ce matasa mun doko irin wannan haluka da da sun ka su yasa sun ka riga ba eh, menene halayensu su shine su kudi ne suke sa su samu kuri'a kudin su ne suke sa su samu kuri'a mu kuma jan yanzu ba ma aiki bane muke yi na wanda ke ba mu kudi balle mu sa kudi a siyasa <laughs> balle mu sa kuri'a babu ma kudi balle a sa babu ma kudi <laughs> kenan mu ne ya kamata mu kawo sauya bisa kan wannan irin siyasar nan nasu menene sauya eh menene sauya yadda za mu yi in sun zo wajen masu neman kuri'an nan in sun ce muna kudi za su ba mu don mu ba su kuri'an mu bai kamata mu mu yadda da irin wannan zance ba dan mutum in ya baka kudi ka bashi kuri'a shi ya sai kuri'a ka ne bai kamata ya ma aiki ba in gaskiya aka bi in alkawali ne sun ka doka in sun doko alkawalka dan su yi muku ga aiki da kamfanin da za mu bude don matasa su rayu in mun samu iko haka a a samu ci gaba mm. wannan in mutum bai yi shi ba gobe ya ji kuma ya zo wajen ku amma in dai kudin ne gobe sai su kara baku abinda sun abinda yayi wanda sun ka baku daga baya mm. shi kuma Habu Umaru um, en fait moi ce que je vois euh, sai ke ba su ta yi suka yi karatu kamar yadda saura suke karatu a jami'a suka san na ake ce ma siyasa suka san min yan siyasa suke don duku su abu ne mai ba su tsoro ba su zawa wajen shi kwa tunda su sai su ce a in zaka siyasa sai yamma makon yi dogon karatu kana da manyan digiri kun gani akwai wannan kwa na farko eh, na biyu ni na cewa yau matashin da bai siyasa ba matsala ba ne mai kasan da cewa ƙasa da kai da masu siyasa duk ƙasa ku guda sunanta nijar kuma duk abin da ya kamata ku yi ya zama to ku kawo gudunmawar ku saboda nijar ta ci gaba kuwa hmm. su masu siyasa su san da cewa a'a suna siyasa ne ba don su cika aljihunsu ba su kuma wanda ba siyasa su san da cewa a'a ya kamata su ma ƙasa aiki kyaukyawa duk inda suke in kai entrepreneur ne in kai shago gare ka in kai eh, makaranta gare ka ta horo ka yi aikin ka da kyawu saboda gobe yan ƙasa su ci amfani shi kuwa. na gode kadiyatu in dawo gare ki tun kama a wannan farar samari sun yawa yawa da ni da ke kadai ne anan masu zani to wai gaya mun su mi yasa yan mata su ba sa sa harkan su yanzu kin ga samarin wannan su sun kama su wannan daga an ba su wuri furf za su ga miki nan nan babu wanda zai ce miki bai so ya zama député mu kuma yan mata ina muke mi yasa qu'est-ce qui explique ça D'abord, c'est la première des choses. On est dans une société où, depuis longtemps, on nous a éduqués avec le fait que la femme, c'est le ne foyer, doit pas s'exprimer, elle ne doit pas trop parler en public. <laughs> Euh, à penser à occuper des postes de responsabilité, surtout en politique, c'est mhm. pas fait pour la femme. C'est ce qui freine beaucoup de jeunes filles euh, de vouloir oser et de euh, de s'affirmer. De prendre la parole, d'aller à la conquête du pouvoir. D'abord, exactement, aller à la conquête du pouvoir et puis assumer des postes de responsabilité. Mais toi, personnellement, ça te ferait peur Pas du tout. si là, on dit Kadiatou euh, député, Kadiatou ministre euh, de la culture, tu peux pas gérer Je l'assumerai pleinement. Mieux que beaucoup de, mieux que beaucoup de jeunes. <laughs> voilà. Que... Girl power. Non, ah, mais oui, sinon il faut bien, il faut bien mourir de quelque chose. Ouais. Et aussi, ce qui est important de souligner, c'est que il n'y a presque pas de femmes. Pourtant, c'est les femmes qui mobilisent. Oui. Les femmes, c'est les femmes l'électorat. Et pourquoi ne pas ces femmes-là ne pas soutenir les quelques femmes qui ont de l'ambition mais nous préférons toujours être influencés, continuer à être influencés. Tout ça, <laughs> qui essaye de nous faire comprendre que c'est, c'est, on doit les soutenir. Merci Kadiatu. Duka masu shuraren mu suna iya samun wannan shirye-shiryen namu kuma su aiko mana tambayoyin su a bisa kallon mu ta WhatsApp 86 Un peu de musique avec Zaman Dunia de Abdussalam Le Tandis. Zaman Dunia aminiyata sai a hankali zama duniya masoyiyata sai a hankali ke aminiyata da ke nike saurara hakishi babarana da farin ciki babar rana rana ta sallah ban ga hanki ba hankali na ya rabu na je da sauri a gidan hankuraki na ta hambaya aka ce kiyin huta kusan da mai so bai da hankali na wuce gari ne neman zama duniya aminiyata sai a hankali zama duniya masoyiyata sai a hankali cikin gari ban hanki ba sai na dangana sai na hankuri sai na je gida na ɗau gita ina kiɗina ni na tunani ina tunani da masoyiyata ina ta fata ga ubangijinmu kan da Abdulsalam ya ce zaman duniya wannan sai a hankali kuma sai da kama ji a wannan fadar tamu muna tare da matasa masu kama jikin su haka ne ko din da aka kuna iya sebon bon kawai insha Allah c'est ça matasa masu kama jiki avec ces jeunes nous parlons de l'engagement politique des jeunes nigériens nous sommes avec Kadiatou Idani jeune étudiante Salau Shaibu jeune membre de structure politique Salau Shaibu shi siyasa ke shi wannan kawai shi ba na wasa ba shi da gaske gaske ma ne karhi da yaji ma na yi <laughs> to Nasiru Bodo jeune activiste shi kuma l'éducation karatu agent commercial Pour professeur historien et politologue au Niger quand on dit jeunesse politique ça veut tout dire et ça ne veut rien dire L'espace politique euh, au Niger est un peu capturé par euh, des grabataires, des gens d'un certain âge qui pensent qu'ils euh, sont là pour beaucoup d'années, pour longtemps, et malheureusement, ils ne réservent aucun espace pour les jeunes qui eux-mêmes ne font pas grand-chose pour euh, jouer le rôle qu'ils devraient jouer. C'est une jeunesse qui est élastique, qui n'a pas de limites que celles que veulent imposer euh, ceux qui dirigent, qui tutoient les 70 ans et qui ne semblent pas prêts euh, à donner toute euh, leur place aux jeunes. Alors, il se pose un problème au niveau du repère même que devraient avoir les jeunes pour servir leur pays, qui ne semblent pas avoir les bons repères et surtout euh, l'espace nécessaire. Ils ne font rien pour jouer le rôle alors que ceux-là qui dirigent, quand ils avaient euh, entre 30 et 40 ans, ils avaient déjà euh, assumé de grandes responsabilités alors qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a 40 ans continue à se voir comme un jeune alors que le président français a 40 ans. on ne l'appelle pas jeune, on dit Monsieur le Président. Eux-mêmes, ceux-là disent Monsieur le Président au lieu de dire jeune Macron. gare ka wani kura <laughs> abin da wanga ya gai profesa yanga masu ba da tarihi eh, akwai abubuwa da ya haɗi wanda ya zamanto gaskiya ne akwai kuma abubuwan da ya zamanto a ƙasar mu batawa mu yi irin lissafi ɗaya da ƙasashen turawa misali kaɗan a ƙasar tamu eh, yau ni ina cikin matasan da suke nihi ke ya kamata a cikin ƙasar ga a cikin lokaci ƙarama matasa sun tashi sun ɗauke ta a hannu amma ba ɗauka kaɗai ba ya zamanto suna da tsare-tsaren da suka shirya abin da ake cema vision a turance mhm. wanda zai zamanto mun rage ma 'yan ƙasanmu zuha a cikin titi kamar mun shahe ma yan kasan mu hawayensu amma yau abun bakin cikin mm. shine sai ku wai matasa bisa kan yana gizo abin da ake cewa shahin twitter ko wani facebook kawai bayan ya rubuta wani ɗan karamin jawabin shi sai ya rubuta wai sell the combat pay yau ina ya sa aiki. <laughs> Ina kun ke? Kun aiki ne. Yau abu ɗaya ne ya kamata mutane su gane. Faɗin duniya akwai abubuwa da yawa wanda suke faruwa akwai abubuwan da muke gani na mamaki ana yi cikin sauran kasashe muna ga kasashe a cikin lokaci karami ya zama sun shiga gaban kasashe hiyar da ishirin an ci gaba amma ci gaban ga ai kuma ba cikin kwana aka yi shi ba kuma bai zamanto ba an yi shi cikin rashin girmama ma juna gayin mutane maganukan da zai bata rai zai ci rai saboda gobe in na gani ka yi kyashin ka sai muna yi muna gaya ma juna gaskiya amma kuma cikin mutunci da girmamawa yau kasa ga tamu ba ba mu iya ci gaba bane mai matasa siyasa duk yawancinmu abu ɗaya muka ya wagga Khadija ta gaye shi cikin harkokin siyasa duk yawancinmu saboda mu zo mu yi ta ihu ne wane yayi wane ya ce wane yayi wayan da amma ya zamanto yau da mu da muka je lakol ɗin da wanda ba su je ba abu guda muka gada ga mu da uwayenmu waɗanda suka riga mana siyasa siyasa mun maida ta aiki yau in kun ɗauka yawa cikin 'yan siyasa mu bancin siyasa babu wani abu da suke yi babu wani kasuwanci babu wani wani nan makwab fiye da wannan mun wuce bangare guda kuma na haraka hmm. eh, le politicien le plus souvent malheureusement su da kansu da professeur ya haɗi ne sun zo sun kafa sun yi dibin tashin kyama da su za a shi sun ba da wurin ba su ba da wuri ba lokaci ne mun zo ne kuma tahiya za mu kuma sai sun tahi da Allah da annabi sun tahi in sun yarda da girman su bari. kuma yanzu in an diba halin da ekol kinmu take ai koi ba da soro kwa gaman wawa ba e hidda arziki ko ko sama kasa ne ka kwa jahili J'ai eh, jahili bon bon dans tous les cas il faut comprendre les on ne peut pas tenir la jeunesse comme étant responsable de la situation que nous vivons aujourd'hui parce que il a parlé effectivement de l'importance de l'école l'école là les jeunes n'ont pas la charge de l'école c'est à l'état de s'occuper de l'école c'est à l'état de donner une orientation et un contenu à cette école là mais ici là on nous apprend juste à parler le français. Et ça s'arrête là. Et, maintenant, et maintenant on se pose des questions que nous soyons, le, fait que nous soyons improductifs <laughs> et inutiles. Est-ce que c'est de notre faute Mais comment on peut demander, voilà, comment on peut demander à une jeunesse de jouer un rôle sans l'avoir préparé à ce rôle-là C'est ça la question qu'il faut se poser. Aujourd'hui, bon, c'est vrai ce qu'il dit. Il faudrait aussi que la, jeunesse Assume Ses responsabilités. mais, mais assumer, savoir assumer ses responsabilités, ça s'apprend. Ça hmm. s'apprend. Oui, tu ne viens pas. Non, c'est la euh, jeunesse non, il y a une différence. bien consciente de ses responsabilités. Non, non, non. C'est pas que le Toi, tu es conscient. Non, non. Ça, je suis d'accord. C'est-à-dire l'école, là. On nous apprend que de parler. est que nous sommes représentatifs de la jeunesse nigérienne C'est ça la question. Il faudrait qu'on arrête d'accuser l'autre pour nos malheurs. Et à un moment, qu'on fasse notre propre autocritique qu'on se demande, moi à mon niveau, qu'est-ce que je suis en train de faire, moi, pour d'abord, moi, mon épanouissement personnel et pour mon pays. En tant que, aujourd'hui, les jeunes dans lesquels l'État a investi, ces jeunes-là qui ont eu la chance d'aller de l'école primaire jusqu'à l'université, qui ont eu des diplômes, qui aujourd'hui se sont engagés, sont dans les partis politiques, puisque c'est jeunesse et politique, on parle. Mhm. Parlons Qu'est-ce que ces jeunes-là sont en train de faire aujourd'hui Mais ces jeunes-là euh, font... Moi, à ce niveau, ces à niveau il y a quelque chose que j'ai relaté. Il faut savoir que c'est ce que j'ai dit, il y a une certaine catégorisation de la jeunesse. Parce que toutefois, nous qui sommes, euh, qui avons eu la chance d'être scolarisés, qui avons atteint un certain niveau d'instruction, nous supposons que la politique n'est faite que pour nous. Et toutes les questions sur lesquelles nous débattions autour de nos fadas, dans nos maisons, et autour des cérémonies, si tu veux, c'est que c'est des questions qui sont intimement liées à ceux qui sont instruits, ceux qui ont eu la chance d'aller à l'école. Mais même avec ça, je suis désolée. il y a dans les partis politiques, non, non, dans les partis politiques, les structures de jeunesse, tu vas avoir quelqu'un de 40 ans, de 45 ans, de 50 ans être président des jeunes de tel parti. Mais ça, c'est pas que les jeunes n'ont pas d'ambition, c'est individuel. Mais je suis désolé dans ce cas, jeunes politique. Les Il y a des jeunes intellectuels dans la politique. Pourquoi ils ne peuvent pas assumer leurs responsabilités créer le cadre Mais s'il te plaît, toi aujourd'hui, tu penses que tu n'es pas assez outillé pour prendre les devants de l'organisation des jeunes de ton parti Ah oui. C'est une non, très je te pose question. la question. Tu penses que tu n'es pas capable de diriger les gens de ton eh mais voilà, mais, pourquoi, pourquoi, tu ne peux pas revendiquer la place là Tu acceptes d'être dirigé. mais n'oubliez pas que c'est aussi des élections. Non, mais c'est des sections qui votent. Pourtant, on sait ce qui se c'est des sections. Ces jeunes-là, il faudrait qu'on arrête qui sont représentées. Est-ce que nous avons C'est plutôt des sections qui désirent. Non, non, même si c'est des élections, tu es bien mieux placé aujourd'hui en tant que leader. Tu as pu même gérer l'université de Niamey, côté étudiant. Rien ne t'empêche aujourd'hui d'être capable de gérer ta structure <laughs> Mais il faut reconnaître qu'à l'intérieur de nos partis tels qu'ils sont organisés actuellement, c'est un schéma qui ne fait pas la promotion des jeunes. Les quelques jeunes qui arrivent à sortir la tête de l'eau, c'est les jeunes qui ont des lobbies très forts au sein de l'établissement politique. Vous voulez réagir sur tout ça la FADA Vous envoyez vos questions sur les thématiques qui vous intéressent. Abonnez-vous à notre fil WhatsApp en envoyant jeune au 80 06 88 54. Franchement, quand on parle euh, politique, euh, tout de suite, euh, ça s'échauffe. Hein non, mais bien sûr, parce, que... Ah ouais, attends, attends, Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. On va écouter un peu de musique. On se détend avec Easy de Danny Lay et Chris Brown. Let me your vibe. Let's just take our time. Just relax your mind. It's a one-on-one moving too fast. Couldn't see the play, but you see that look in my face, so oh, you know what it is. Pedal to the metal, on gas, no way. Girl, I would never get in your way. I'ma shut up and let you drive. Put that thing to the floor, one for the ride. aujourd'hui nous parlons politique de Mugane. gane de da matasa suka ba harkokin siyasar kasar ga de A ah, fara man sun ba da Voilà, Muna nan da <laughs> Nous sommes à cette fois avec Salau Shaibu, jeune membre de structure politique, Kadiatu Idani, Itakuma kuma ɗaliba ce a Bodo, jeune activiste Nassirou le Sancho chaud, Chemichini. Habou Omarou qui bosse dans l'éducation et Mokhtar Idrissa agent commercial qui sont également avec nous. une dernière question kinmu. Matasa de dama suna cewa un siyasar yanzu sun To a les jeunes leaders des partis politiques Koko ko a ce cikin structure kin jeune in mani parti ils sont prêts à assurer la relève ko suna iyawa c'est euh, que je suis c'est les jeunes que je vois dans les partis politiques c'est pas la compétence c'est pas la capacité de prendre la relève qui leur manque, mais il faudrait quand même que ces jeunes-là réalisent que faire de la politique ne veut pas dire manquer du respect à ses aînés. Faire de la politique, c'est pas de la guerre. Faire de la politique, c'est pas oublier ses valeurs c'est avoir des principes, c'est mettre l'intérêt général, savoir que la génération présente, que les jeunes actuellement, eh, je peux dire que l'avenir de la jeunesse repose sur ces jeunes-là qui se sont engagés dans la politique. Parce qu'aujourd'hui, c'est à travers la politique, oui, ces jeunes-là représentent la jeunesse nigérienne. Il faudrait que les jeunes se retrouvent à travers ces jeunes-là, que ces jeunes-là soient responsables, puissent être vraiment des modèles et assurer la formation des autres jeunes partout. Il faudrait que les jeunes actuellement dans les partis politiques soient capables d'assurer la relève. Mais On peut compter sur vous. Mais vraiment, Mais bien eh, eh, à notre jeune politicien et camarade à l'université, et notre ancien SIG, vous avez du travail, vous avez une responsabilité qui est la vôtre. Vous vous êtes engagé dans la politique. Faites une politique responsable. Ne soyez pas, euh, ne soyez pas spectateur, soyez acteur. vous vous kaje gare ka da ta ce maka kuna iya on peut compter sur toi kana kama euh, parmi les jeunes c'est ce qu'elle a dit dans toutes les formations politiques il faudra faire une synthèse salauje muna da Hausa mu ji muna son mu eh, engagement da Hausa to duka wa an ga inda da aka mu na siyasa a cikin kasar namu yau an ci a ta adiba duka kowane bangare a zabo matasa wa'anda ya zamanto mutane ne masu tarihi na kirki mai kuma masu hangen nesa mhm. muna iya samun yau abin ga group na matasa wa'anda yau an ba su ga abu da yawa an ga canji ciki sai dai ya zamanto muna wawatse. muna wawatse kuma bu mu yarda da juna ba bu mu yarda da juna ba kuma An germain eh, on lallabu la langue zanga irsu lallabu carga eh, irsu lallabu carga ana ne ke babu mutunta ma juna dan kana wancan jam'iya ina wanga jam'iya muka gamu ba mu ma gaisuwa kana da biki bani iya zuwa hira kilki batta iya zuwa canza zance don a ga menene tsarin da mu a cikin jam'iyyar mu za mu kawo a'a ilfoke ma mu eh, gane abin da yau jam'iyyar muke so ta yi na kirki mhm. sauran parti su ma ya kamata matasan su suna iya yin shi ya kamata mu tsaya ba kawai ta exorciser ba mu tsaya ba discours ma pli wallahi <laughs> non mais en fait okay, non, non, non, il s'appelle magana non en fait rapidement il que les jeunes en politique puissent comprendre c'est là je suis très heureux c'est mon ami laisse-moi parler je suis très heureux mm. que mon ami ait changé de discours c'est important très heureux parce que quand il s'est engagé en politique moi je l'ai encouragé, même si je n'étais pas d'accord avec son choix. s'il te plaît, reprends à ma question. Je vais écouter la question. histoire. C'était pour savoir est si que les jeunes, ils sont capables, les jeunes maintenant ah, ah, Ils sont capables aujourd'hui de piloter ce pays et l'amener à bon port. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est pour aller dans le même sens que lui. Hmm. Est-ce que nous, aujourd'hui, nous sommes réunis Ça veut dire quoi Ça veut dire que nous avons une autre mission dont ils n'ont pas encore identifié l'importance, le rassemblement des jeunes autour d'un idéal. Parce que c'est cela la question. Vous ne pouvez pas vous morceler dans des différents partis politiques, d'une classe politique qui, à tout hein. point de vie, a échoué à faire sortir le Niger du sous-développement, aller les renforcer et penser que le Niger demain. Et quel qu'en soit leur dit, toujours. C'est pas cohérent. kwarai muke iya me in sai dai mun sake halukanmu halimu ko halimu to kai ma ka bani wani mofor shine abin da yasa nake ke eh. musan eh, dan mu ne mu matasa mu ne ake sa gaba in za a yi lalata mhm. amma in abun kwarai ya zo ba mu bane ba mu bane gaba to kai kuma eh, gare ka gare ka habu umaru moi de mon point de vue mm. pour pour pour diriger mm. pour diriger il faut s'outiller Il, faut, il s'outiller pour diriger. Aujourd'hui, les jeunes Nigériens qui sont pressés, qui aiment l'argent, qui aiment les femmes, qui veulent les facilités, ne peuvent pas diriger. Ils vont mettre ces pays au chaos. Moi, je ne crois pas aux jeunes Nigériens. ça, je dis, je m'assume. Les jeunes impatients, pressés, qui veulent son juste. Non. Ça veut dire que. Et eh, aussi, il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Ah, ah, ah. Ça veut dire que l'écrasante majorité de cette eh, jeunesse nigérienne à ce qu'on appelle, nous, de notre expression syndicale, les, les intestins fragiles. fragiles. Oui, les gens veulent du ticui, Or, il faut travailler la mémoire, il faut travailler l'esprit. Oui. Il faut travailler Yanzu, kuna cikin shirin tusa qui le veut. Euh, qui peut oser être dirigé et vendre ses pays. Ah et oui. Ah euh, nous allons nous faire plaisir avec la chronique d'Olivier, bah, le geek de l'équipe. Ce samedi, vous vous demandez quelles sont les opportunités d'emploi, de formation ou peut-être quoi faire pour s'amuser. Bienvenue dans la chronique d'Olivier. Ce soir, ensemble avec toute l'équipe jeune du studio Kalangou, je vous propose un condensé de choses à ne pas rater. Ce soir même à la Blue Zone, vous pouvez participer à une séance de photos et faire un don qui servira à aider un orphelin, c'est-à-dire sur place, le photographe, les photographes sont là pour vous prendre en photo. Cette fois-ci, ce que vous allez donner comme argent ou bien comme don servira à aider un orphelin. Pour les amoureux des lettres, Radio France Internationale a créé un nouveau prix littéraire en partenariat avec les éditions Jean-Claude Lattès. RFI lance le concours d'écriture Voix d'Afrique. Il s'adresse à tous les jeunes auteurs et autrices du continent. C'est un prix de littérature en langue française dont l'objectif est la découverte des nouvelles plumes sur tout le continent africain. Vous êtes nigérien, vous avez moins de 30 ans, vous êtes majeur, vous n'avez pas encore publier un œuvre, mais vous rêvez d'écrire un roman, alors vous pouvez tenter votre chance et participer à ce concours d'écriture jusqu'au 15 janvier 2020. Pour cela, il suffit juste de vous inscrire sur Internet à l'adresse prix-rfi.édition-j la clates, c'est-à-dire J-C-L-A-D-T-E-S.fr et d'envoyer votre test. Bonne chance à toutes et à tous. Autre information, Octobre Rose s'achève, mais la lutte contre le cancer continue. Et pour ceux et celles qui sont à Niamey ou aux environs, rendez-vous au siège de l'ONG SOS Cancer Niger pour le dépistage gratuit. Un peu de musique dans cette chronique, le nouvel album du rappeur Hausa Hakim est disponible depuis le 29 octobre. Un album mémorable que je vous recommande. On se quitte avec cet extrait, ce single que j'adore beaucoup, Good Morning. People, good morning. Good morning. C'est la fin de cette chronique. Merci beaucoup à Halidou, grâce à qui cette chronique a été réalisée. D'ici là, portez-vous bien et au samedi prochain. Nous avons parlé politique avec des jeunes apparemment très engagés, avec des visions, avec des ambitions nan mun ga duka a cikin kuna a faraman duk wanda aka ba uh, wani minista ko wata na iya eh, bien sûr haba wallahi haba <laughs> karin <laughs>

mu suna iya samun wannan shirye-shiryen namu a bisa kan lambar mu ta WhatsApp ku aika mana John a 80 06 88 54 Amina ku ta kullun sai mun ƙara haduwa Arabiya mai Kano to mun ce muku bye bye a huta lahiya